Diaspora Bagno Lank, depuis un mois, nous sommes en train de nous battre sur le terrain médiatiquement en dénonçant certaines pratiques, certaines injustices. C'est ce qui a amené, à mon avis, que le gouvernement a baissé les prix de, 700, de euros à 700 euros. Mais vous vous imaginez, en temps normal, avec 500 euros, vous avez un billet aller-retour. Aujourd'hui, on ose demander à des Sénégalais impacter 1300, 1200 euros, 1000 euros pour un billet aller simple. Franchement, il y a quand même un abus de la part de Air Sénégal. Donc c'est inexplicable. Nous ne pouvons pas accepter ces pratiques. Sans compter les scandales qu'il y a eu. Je veux juste revenir sur ça il faut appeler un chat un chat. Le directeur commercial d'Air Sénégal, M. Samb, a déclaré haut et fort que Air Sénégal n'a jamais vendu des billets au-delà de 1000 euros et que toute personne qui, qui a vendu plus de 1000 euros doit rembourser cet argent. Il faut dire les noms. C'est M. Yoroba, un Sénégalais qui vit en Italie, que je connais très bien, qui a organisé tout ça. Yoruba, je vous demande de sortir, faire une déclaration, confirmer ou infirmer les déclarations de M. Samb, qui est le directeur commercial d'Air Sénégal. C'est ça la réalité. Et si s'il s'avère qu'il y a un problème, je pense que le directeur commercial d'Air Sénégal et Yoruba, qui était le président du collectif doivent rendre compte à la justice sénégalaise pour éclaircir ce problème parce qu'il est anormal que l'argent des modoumodou qui sont impactés, restent ici et on profite de ces occasions, non seulement la chérette des billets 1000 francs, 1000 euros, c'est trop, et en plus de cela, vous laissez un deal à l'intérieur et je pense que les modoumodou et la diaspora voudrions que cette

kon bu ñu jël mbir mi ba comme que ñun nag fi ñu toll nii ñoo taxaw di xeexal gars yi ñun la ñu gën a xam ñun la ñu gën a ràññee moom it xëy na muy daw benn responsabilité tax ma bëgguñu ko xëpp moo tax tey rek ñu toog fi ne nañu indi ab leeral waaye nag du tontu parce que fi nekk nii dañoo génn ci phase u tontoog phase yu defante yëpp di wax dëgg yàlla weesu nañ ko dafa am lu ñu dëgmal te loolu ci lañ bëgg waxtaan daal boobu lay kuréel daal wax dëgg yàlla bokkul dara ak waa ñoo diaspora ñoo lànk ñoo bañ ñun xam nañu kuréel ba luubal xaalis bi xam nañ leen bu baax a baax xam nañ tur sant bu ñu woowee ñox ko loolu moom amuñ sax lu ñuy luñ ci luñ ciy tiit ak luñ ci ragal waaw ndax fee yaa ngi fi ojo yaa ngi fi lépp a ngi fi maanaam Babacar lañ doon leeral rek bëgg beneen yoon bu toogee di wax na ci génne waa diaspora ñoo lànk ñoo bañ te moo xam ne waa diaspora ñoo lànk ñoo bañ ñun moom eh, eh, sénégalais de l'extérieur la ñuy liggéeyal mais nekk fu ñu fi pour di luwal ab xaalis wala gis xaalis bañ nañ ko ba keroog bañ leen assister ba ñuy jaay bii yëpp taxaw nañ ci bunt bi rangloo leen assister leen ba ku ci nekk jël vol bi nga xam ne moom nga war a jël ak ñi jëlagu seen vol ak li ci xewaat ci diggante bi mooy cherté bii wàññeeguñ ko ba léegi yooyu yëpp xëy na buñ demee ba ci kanam danañ ko gën a mën a leeral ci waxtaan